mai 2024, il est 11h à Niamey et partout au Niger. Bonjour chers auditeurs du Niger sur Kalangou, très ravi de vous retrouver sur cette émission. Vous êtes accompagné de Rabia Mekano et Mariam Adé pour la présentation. Mariam, ça va ce matin Ça va bien Rabi, qu'avons-nous au programme de ce matin Alors, comme d'habitude, nous aurons le flash d'information, la rubrique d'eau qui va parler santé, le reportage région qui nous mènera sans oublier notre passeport et le loti de l'équipe femme du studio Kalangu. Et Mariam, notre invitée du jour, est spéciale aujourd'hui, n'est-ce pas Oui, Ravi, nous recevons comme invitée du jour l'une des plus belles voix du pays dont les chansons nous ont accompagnés sur plusieurs numéros du Niger sur Kalangu. Restez câblés. Cette émission ne serait pas ce qu'elle est sans la dextérité de nos techniciens de l'autre côté de la vitre. Un gros coucou à Amina Hassan et Adama Dawaki qui assurent l'édition. accueillons à présent Mokhtar Hamadou pour le flash d'information. Bonjour, Mokhtar. Bonjour euh, Rabia, bonjour euh, Mariam. Le flash d'information à présent. Le gouverneur de la région de Difa, général de brigade Mahamadou Ibrahim Bagadouma, a convoqué hier lundi 6 mai un conseil régional de sécurité à l'ordre du jour deux situations sécuritaires qui méritent une attention particulière. Le premier point est la sécurisation des différents aménagements hydro-agricoles de la région en réhabilitation. le second point est la sécurisation des populations et de leurs biens sur la route nationale numéro 1 qui ces derniers jours sont victimes d'attaques surtout au niveau de la localité de Gagamari. Un troisième vol cargo de l'armée russe a atterri à Niamey ce week-end. Outre les équipements stratégiques militaires, le vol transportait également un contingent d'instructeurs chargés de former les unités combattantes du Niger. Cette assistance militaire s'inscrit dans le cadre des accords de coopération bilatérale conclus entre les deux pays pour renforcer la défense et la sécurité du Niger face aux défis complexes auquel il est confronté. Aujourd'hui, cette main, c'est la journée dédiée aux orphelins du sida. Selon l'ONU-SIDA, l'OMS et l'UNICEF, les orphelins du sida sont les enfants qui, avant l'âge de 15 ans, ont perdu un de leurs parents morts de la maladie. toutes les 15 secondes, le sida tue un papa ou une maman. En 2005, ils étaient déjà plus de 15 millions selon Fraternité Info. La prise en charge de ces orphelins du sida constitue un défi humanitaire, économique et social majeur. l'a réinsérer dans la société leur permettra de ne plus être en proie facile pour la délinquance, la prostitution ou encore la drogue. Et c'est tout pour le flash d'information de ce mardi 7 mai 2024. Merci bien, Mokhtar. Merci à vous. Bonne continuation. Merci. Alors, notre invité du jour se démarque avec la beauté de sa voix, la qualité de ses textes, mais surtout sa facilité à s'aventurer sur plusieurs styles musicaux et dans plusieurs langues. Musique traditionnelle, de la pop, de l'afro-pop, elle continue de marquer l'univers de la musique urbaine nigérienne. Nous accueillons dans ce studio Safiat qui va nous rejoindre dans un instant. Dans un instant. Bonjour. Bonjour. Alors, Ravi, avant de savoir plus sur le parcours de notre invité, allons pour notre première balade musicale avec les titres Engari. Engari, ça fait on t'accueille avec ton premier titre. Ça va Ça va. Ok, super. On y va. Tell me how do you feel now? Yeah, yeah. ya babushina. Oh, oh. Aniyesu chanta bisu. Yeah, yeah. Ina maso ya engarin propagé pas mal. Non, non, c'est pas pareil. Tu vis ta vie, je vis la mienne. Non, non, t'as pas raison. Yeah, Comparaison n'est pas raison. Wesh, que tu kiffes ma vibe. Wesh, comme je kiffe ma life. Comparaison n'est pas raison, mon ami. This is my territory. Ah, ah, ah, where are, yeah, where are my lovers so far? So far together, where are, where are my lovers so far? Safia chicken fagi haba malam. <laughs> non, non, c'est pas pareil. Tu vis ta vie, je vis la mienne. Non, non, t'as pas raison. Comparaison n'est pas raison. Wesh, que tu kiffes ma vibe. Wesh, comme je kiffe ma life. Comparaison n'est pas raison, mon ami. Comparaison n'est pas raison. Mario

Voilà, vous l'avez bien compris, la voix, elle est là avec nous, Safiat. Rebonjour. Rebonjour. Alors nous sommes vraiment très ravis, nous nous sentons privilégiés de t'avoir dans ce studio avec nous. Le plaisir est partagé, franchement. Euh, donc euh, voilà. Nous avons <laughs> quelques petites questions pour toi. Il n'y a pas de souci. Alors Safia, on revient un peu sur ton parcours en 2006. Vous avez intégré le boys band deux un passage très remarqué dans ce groupe Pendant presque une décennie de carrière, vous avez réussi à imposer votre style dans l'univers de la musique urbaine nigérienne. Alors, Safia, on veut bien savoir quels sont, euh, comment vous avez pu imposer euh, votre style. Vous étiez d'abord dans un boys band, une femme qui vient et qui impacte euh, ce groupe, et après vous continuez et vous continuez encore. Alors, c'est quoi votre secret <laughs> je saurais le dire en fait. En réalité, je pense que j'ai toujours fait tout ce que je faisais, je l'ai toujours fait naturellement. Après, quand j'ai intégré euh, Dangaskia, il y avait euh, des choses qui étaient là, c'est-à-dire j'aimais beaucoup euh, ce côté euh, où on mélangeait tradition et musique urbaine. Et, on avait la majorité de nos chansons étaient quand même d'inspiration traditionnelle, mais on avait aussi des chansons qui étaient typiquement hip-hop. et en fait, je faisais naturellement, en fait, ce que j'avais à faire, je n'avais pas besoin de faire des efforts et je pense que j'étais aussi bien entourée. Euh, et, le public était, était beaucoup, beaucoup plus bienveillant à l'époque et je crois que euh, cette, cette, cette nouveauté-là qu'ils avaient sous les yeux les avait d'une manière euh, ou d'une autre touchée et je crois que c'est ça qui, qui, a, qui a mené à... Oui, ça à, ça, voilà, à, tout ce qui est arrivé. Maintenant, c'est vrai que euh, après, il y a eu rupture et du coup, il fallait, euh, bien, il fallait bien que, que, que, je continue de faire mon métier. Je veux dire, la musique, c'est un métier avant tout. Et genre, on, ne se lève pas du jour au lendemain, on dit, on ne veut plus rien faire. C'est comme si euh, on décidait de, d'arrêter de, travailler. Mais si tu arrêtes de travailler, tu vas faire quoi Même si je suis diplômée universitaire, j'ai, une maîtrise en gestion bancaire, étant donné que je n'ai pas évoluer dans ce milieu-là pendant tout ce temps-là, ça va être, ça va pas être évident de, de, passer à autre chose. Donc, et puis je fais ce que j'aime et j'aime mon métier, donc. Euh, il était évident pour moi que je devrais continuer à le faire. Et ça se sent tout au long de votre parcours. Vous avez surfé sur plusieurs styles musicaux, <laughs> justement euh, traditionnels, traditionnel, euh, le néo-traditionnel, la ah, traditionnel pop exactement, si, Alors, c'est quoi vos quelles sont vos principales influences musicales pour arriver à, à faire tout ça alors, je, je, je, tiens à dire quand même que toute mon enfance a été bercée par de la musique orientale, la musique arabe euh, et, et, indienne. Mais euh, après, genre, quand, quand, je suis arrivée au collège, euh, plus tard même dans le collège, c'est là que j'ai commencé à découvrir les autres musiques occidentales. Et donc tout ce qui est musique américaine, urbaine de cette époque-là, on, l'a connu hein. euh, ça a commencé par les MC Hammer, et puis euh, ça a fini vers les Alia, euh, les Brandy, tout ça, les ah Eminem, jusque dans les années 2000 en fait. Ah, les grands alors. voilà, c'est <laughs> ça. Et donc du coup, c'est moi, je, moi, je définirais vraiment mes influences beaucoup plus. celle, de, c'est celle de cette époque-là. Voilà, c'est ça vraiment principalement mes influences. Mais après, donc, euh, j'ai découvert d'autres euh, artistes, euh, d'autres horizons. Et j'écoute un peu de tout en réalité. J'écoute du rock, comme j'écoute des, musiques traditionnelles, comme j'écoute du, reggae. <laughs> voilà, du reggae, du jazz. J'écoute tout en fait. Et, j'aime bien en fait me laisser inspirer par toutes ces musiques-là. Alors, euh, Sophia vous pouvez nous parler de votre processus de création musicale, de la manière dont vous écrivez vos chansons et comment vous, choisissez, les thèmes. Ok. Alors, euh, j'ai trois manières principales de, composer mes chansons. C'est soit euh, je, me mets à la guitare, je, fais une, succession d'accords que j'aime bien. Et quand je fais cette succession d'accords là, j'essaie de poser donc des phrases dessus et j'écris les phrases au fur et à mesure que je fais des mélodies. Euh, ou ce qui se fait maintenant plus souvent, c'est d'avoir euh, une musique, un instrumental de base. Et ça, euh, surtout en musique urbaine, c'est la technique la plus, euh, voilà, la, plus courante. donc, et puis on essaie de poser sur l'instrumental les mélodies qu'on a envie de faire et les thématiques. Ça vraiment, c'est vraiment une question d'inspiration parce que sur le chant, tu commences à dire des phrases avec la musique que, tu entends, tu dis des phrases et là, tu commences à savoir vers où tu veux aller. Voilà, en général, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, bon, il y a des moments où tu commences même par une mélodie comme ça qui te sort dans la tête et tu dis, par exemple, si tu es en studio, tu dis à l'ingénieur son, j'ai envie voilà, voilà une mélodie que j'ai en tête. J'ai envie qu'on compose quelque chose oui, là-dessus. voilà, et, là, l'ingénieur son euh, euh, le fait ou tout simplement aussi, euh, il m'est arrivé d'avoir des chansons composées déjà, euh, très souvent par Soul MDM. En fait, des, chansons comme Mazam, Africa, par exemple, c'est une chanson qui a été complètement écrite par Soul. Et moi, je suis venue, en fait, j'ai repris les mélodies qu'il a, qu'il a déjà chantées un peu à ma manière quand même. Mais c'est vraiment des reprises de mélodies qu'il a déjà chantées. Tout était, tout, est déjà, tout était déjà là, en fait. Ah oui, hein. c'est la voilà. reine des reprises <laughs> aussi. Hein. <laughs> voilà. Safia, euh, une dernière question pour cette première phase. Femme nigérienne, artiste, c'est quoi vraiment votre secret pour tenir le coup et faire votre bout de chemin dans cet univers assez euh, fermé aux femmes C'est un univers chez nous. très, très fermé. Et c'est encore plus fermé dans la mesure où, par exemple, euh, moi, il m'arrive d'être avec les autres rappeurs et ils me le disent sincèrement. Ils me disent, tu sais que tu travailles dix fois plus que nous, mais je, suis celle qu'on voit le moins parce que c'est un milieu très euh, misogyne. Voilà. Et, et, et, je pense que euh, de façon générale dans l'industrie, étant donné que les femmes sont plus nombreuses de façon générale dans, dans, dans, dans la population, les hommes sont beaucoup plus euh, comment je vais dire, les, les, hommes déjà soutiennent les hommes et les, les femmes soutiennent les hommes aussi. Mhm. Donc ça fait que euh, c'est plus évident pour un homme de réussir dans, dans l'industrie de façon générale, hein, vraiment, même mondialement, que pour une femme Ils de, attirent de attirent plus l'attention. Voilà, les hommes attirent plus l'attention euh, que, que, nous, les femmes. Et les femmes, très souvent, je veux dire, c'est beaucoup plus des gens bien sélectifs et tout. Donc, c'est pas tellement évident, en fait déjà qu'on soit nigérienne ou pas. Et c'est vrai que quand on est en nigérienne, c'est encore mille <laughs> fois, mille fois plus difficile, <laughs> dans la mesure où la société ne peut pas comprendre. Euh, même, même si tu essaies de, de, de, le faire comprendre aux gens, les gens ont beaucoup de mal à comprendre. Et moi, je trouve ça dommage parce qu'on me le dit très souvent, surtout quand je vais à l'étranger, on me dit tu es une artiste incomprise chez toi et c'est très dommage. Mm-hmm. Ça fait mal, ça fait mal parce que tu te dis ok, j'essaye de faire quelque chose que les gens ne comprennent pas. Alors que si c'était dans un autre pays que je le faisais à longtemps, je suis allé plus loin que où je suis actuellement. Mais bon, on aime bien se battre pour, notre pays, euh, on, aime bien représenter les couleurs. Voilà. <laughs> voilà. et puis voilà, je veux dire, on est, on est nigérien, c'est dans le sang, c'était pas comme si on allait l'enlever et puis, et, puis le changer, quoi. <laughs> Voilà. Avant de continuer nos échanges, restons toujours avec les titres de notre invité du jour, cette belle reprise des titres Un oua des jeunes filles des Goudoua. Dangoudou. Dangoudou. voilà, c'est connais les noms <laughs> quand même. Cuisiner à la sauce Sophia », c'est pour vous. On vous laisse kiffer.

da kai yan uwa ah, Allah sarki baki 'yan ƙasar Nijar don su ci gaba. Ah, uwa maza da mata. oh, I'm a c'était le titre Un Oua, une reprise de euh, la chanson des jeunes filles de euh, vraiment cuisinée à la sauce Sophia. Et euh, du bon boulot, hein, au passage. Merci, <laughs> merci beaucoup. Alors, Sophia, on repart avec nos questions. Pouvez-vous partager avec nous une anecdote intéressante, une expérience qui vous a marqué, que ce soit en tournée ou en studio quelque chose qui vous a vraiment marqué Waouh Alors, moi, je voudrais bien partager l'anecdote sur cette chanson-là qui est que euh, quand, on quand on voulait quand je voulais la faire en fait euh, en studio, euh, comme je travaillais, je travaillais avec Soul en studio sur cette chanson et il me dit je sais pas, je la sens pas, je dis ok, mais moi je sais pas, mais moi je la sens. Il me dit ok, bon si tu la sens, on va la faire, mais moi je te dis tout de suite, enfin cette chanson je la sens pas. Je dis ok, c'est pas grave, mais moi je tiens à la faire donc. Après, donc, quand j'ai fait les deux, les deux premiers couplets, après, là, là j'étais à court d'inspiration et je suis restée là. Et puis, bon, il a écouté, il a écouté. Après, c'est lui qui a donné la dernière, la dernière partie de la chanson. En fait. lui, qui n'y croyait pas trop. Hein. Heureusement que vous avez voilà c'est ça. Donc, c'est lui qui a donné la dernière partie de la chanson. Il m'a dit, bon, voilà, écoute, tu peux mettre un truc comme ça en dernière partie et puis et puis et puis c'est fini. Et puis donc euh, on a fait ça et aujourd'hui quand je vois c'est ça qui est assez impressionnant en fait des fois ce qu'on pense qui va marcher en studio n'est pas forcément ce qui va marcher et, et, c'est qu'on ne pense pas qui va marcher, c'est ça aussi qui marche. Et chacun d'entre nous, lui comme moi, hein, chacun d'entre nous a eu une chanson sur laquelle euh, il y a eu un doute. Mm. Moi, enfin lui, c'est celle-là et moi, c'est euh, Eta. Et Taka, il m'a présenté le beat, je voulais même pas poser dessus. J'ai dit, je ne veux pas, ça ne m'inspire pas, je veux pas. Il m'a dit, attends, on sait même pas combien de fois elle a passé. <laughs> Moi, je m'amène. <laughs> Mais tu vois, et je lui dis, et je lui dis, non, je, je la sens pas cette chanson. Il me dit, c'est pas grave. <laughs> Donc, en fait, dans, dans, les deux albums que j'ai fait euh, à Imperial Studio, euh, ça a toujours été comme ça, genre, je, je, ne sens pas, je sens. Et puis, en fait, au final, les deux chansons euh, ont, bien marché en fait. Donc, voilà. Ça euh, a bien donné. <laughs> <laughs> Alors, Cecilia vous avez bouclé un dernier single ou album, euh, vous pouvez nous en parler Oui. l'inspiration derrière ce dernier travail que vous avez effectué Alors, mon dernier album s'appelle. Regarde, j'ai oublié le nom tellement. Ça fait... <laughs> C'est depuis 2022 que j'ai fait le vernissage. Ça s'appelle Ah, Pole Position. Voilà. cet album, je l'ai voulu beaucoup plus urbain que, le premier, beaucoup plus afro. Euh, le premier que j'ai fait qui s'appelait Point Final, c'est celui qui contient euh, la chanson Un et Moza Africa. Donc, euh, Un Ouai étant la seule reprise de cet album-là. Donc, quand on a vu que Un Ouai a marché en tant que reprise, donc on a décidé d'intégrer d'autres chansons de, de, la musique moderne nigérienne, notamment Mugu Magani euh, de Ali Jibo, euh, et la chanson Yanni » de Alajitaya. Donc, euh, je pense qu'il y a au total peut-être 4, reprises sur 16 euh, chansons de l'album. J'ai fait donc 16 titres dans l'album et, il y avait 4 titres qui sont d'inspiration traditionnelle parce qu'on a vu que ça a marché. Mais sinon, tout le reste, afro, afro, afropop, pop euh, dancehall, tout, ce qui, tout qui est musique urbaine. Quoi. Voilà, voilà. Alors, Sophia, dites-nous comment utilisez-vous votre plateforme musicale pour aborder des problèmes sociaux ou politiques qui vous tiennent à cœur ben ça, moi, je pense que euh, déjà à la base, quand j'ai commencé la musique, j'ai commencé, commencé avec ça. C'est-à-dire déjà quand j'étais dans, le groupe Kaidangaskia 2, euh, on était un groupe euh, déjà très engagé voilà le mariage forcé exactement Aïsiba Bora euh, comme on l'avait Nigdi Nigdi Nigdi voilà on, on était vraiment un, un, un, groupe très engagé surtout dans les dans les dans les problèmes euh, politiques politico-sociaux de ce pays et euh, et en fait je n'ai jamais je n'ai jamais arrêté ça sauf que euh, je pense que je suis devenue beaucoup moins politique et je me penche beaucoup plus sur le droit de la femme et des enfants. Mm-hmm. Voilà. Euh, par exemple, dans mon, dans mon dernier album, là, j'ai une chanson qui s'appelle Mata Africa. Voilà. Donc, euh, je tiens, en fait, je tiens toujours à, revenir là-dessus parce que c'est très important. On est encore dans une société où on, on oppresse encore les femmes et les enfants. Et étant donné qu'on est les plus faibles, je pense que nous sommes ceux qui ont le plus besoin euh, d'être défendus. Voilà. Donc euh, mon engagement continue encore et, comme j'ai dit, à chaque fois que je dois faire euh, un album ou des activités, j'ai l'habitude déjà de travailler avec les ONG, ça, ça ne s'est jamais arrêté. même à mon dernier concert de vernissage, la thématique était l'autonomisation des jeunes filles. Et je me rappelle que l'année passée, j'avais participé à Future Leader, euh, une chanson euh, qui a été produite par euh, un projet ici. comment ça s'appelle J'ai oublié son nom. Le SNED. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc. Et il y avait, y avait plusieurs artistes internationaux, donc Kumba Zainab du Bénin, euh, comme Manamba Kanté de la Guinée. En fait, on était, on était très nombreuses comme ça. Et puis, on a fait une chanson sur euh, l'autonomisation, l'autonomisation de la jeune femme. Mhm. Voilà, et des filles. Donc, euh, cet, engagement ne s'est jamais arrêté. Et, et, je pense que ça va s'arrêter le jour où peut-être on n'aura plus besoin d'être aussi engagé. Voilà, <laughs> mais sinon ça va continuer. <laughs> Ah Tant qu'il y a encore des luttes à faire, c'est qu'on va, on va le faire. Alors Safia, est-ce qu'on peut euh, aller, ne serait-ce que brièvement, sur l'évolution de votre euh, style musical, de votre musique Et avez-vous vraiment des projets futurs et ça va aller dans quelle direction alors euh, oui, c'est vrai que là, par, par exemple, j'essaie de, de, Je vais beaucoup plus à la conquête du monde, en commençant par l'Afrique. Donc, euh, euh, et euh, déjà, cet album que j'ai fait dernièrement, il est, très bien accueilli un peu partout. Ça m'a permis cette année, par exemple, de participer au Massa. Récemment, j'étais allée au Massa, j'ai été sélectionnée pour participer au Massa. J'ai été sélectionnée par Kumba pour tourner avec elle sur son festival qui s'appelle Festival, oui, le chant des Lingères. Euh, Félicitations. Merci. <laughs> Donc, euh, j'ai plein d'activités comme ça euh, à, à, venir. Donc, elle, elle, déjà, normalement, il est prévu qu'on est en Guinée-Bissau avec elle et puis, puis en France. Et puis, bon, sur, on est en train de postuler sur d'autres festivals et même la dernière fois au Massa, donc on a, on a rencontré des, des, des promoteurs de festivals qui nous veulent sur leur festival. Donc euh, voilà, donc moi j'ai vraiment envie d'aller à la conquête du monde. Euh, et c'est dans cette optique-là que j'ai fait un featuring avec euh, un Camerounais. et donc ce featuring-là passe en, boucle sur les chaînes camerounaises, et qui fait déjà une promotion au niveau du Cameroun. et voilà. Et, et, donc là, je suis en train de penser à des featuring principalement, et je pense que je vais commencer par Zainab du Voilà. J'ai déjà parlé avec elle, je pense qu'on va. Que le projet. Hein. Ouais, exactement. voilà, euh, alors on vous souhaite beaucoup de succès. Et ça on a une petite, dernière pour la <laughs> route. <laughs> alors, Sophia, vous êtes sensible aux causes féminines et nous savons que vous inspirez beaucoup de jeunes filles. Mhm. Est-ce que vous avez euh, un message particulier pour euh, celles qui nous écoutent sur cette émission qu'elles veulent se lancer en musique ou n'importe quel projet, est-ce que vous avez des petits mots pour elles moi, moi j'espère, moi j'espère que ces filles-là euh, ont vraiment envie de, se donner à fond. C'est très important parce que le développement en lui-même ne peut pas se faire euh, sans les femmes. Euh, on est déjà, on est déjà 51%, euh, je pense, hein, de la population. Et s'il faut que 49%, sachant que 49% même parmi eux, il y a des enfants, si, peut-être, disons, 30% de, la population devrait travailler au développement, je pense que ça va être très difficile. Donc, je pense qu'il faut une implication de tout le monde pour développer un pays. Maintenant, tout dépend des ambitions de tout un chacun. Mais le plus important, c'est d'abord d'avoir l'ambition de faire et puis d'avoir la force, le courage et la détermination de le faire. La détermination, c'est très important. Il faut avoir la détermination parce que euh, c'est très facile de se faire décourager dans, un pays où les gens euh, ne sont pas très ambitieux. C'est très facile qu'on te dise ah mais pourquoi tu veux faire ça, ça sert à rien. Non, non, il faut y croire, il faut être déterminé. Tout ce que tu fais, tant que tu travailles bien et que tu travailles, ça va forcément payer. Ça finit par payer. Alors, seul le travail merci, paye. <laughs> Sophia. Merci euh, de nous honorer de ta présence. Ben, merci à vous de m'avoir invité. Franchement, l'honneur est partagé. Franchement, moi, même ça m'a fait plaisir d'être là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'émission ni télé ni radio. Euh, mais, voilà, donc j'ai décidé de, reprendre et ça fait plaisir de commencer euh, déjà <laughs> dans une radio où il y a beaucoup de gens féminines. J'aime bien ça. <laughs> ah oui, voilà, c'était fait sur le Niger sur Kalangu. On se reprend juste après la pause. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, vous êtes bien sûr l'émission Le Niger sur Kalangu, animée par Rabia Mekano et moi-même Maria Rabi, passons à la rubrique hebdo. Et eh oui, dans un monde des futurs, dans le monde des futurs parents, la période de grossesse est souvent associée à la joie et à l'anticipation. Cependant, derrière ce bonheur se cachent parfois des défis pour la santé euh, des femmes enceintes. Écoutons ce reportage de Nana Hadiza qui nous en dit plus sur le sujet. a cewar ma'aikatan kiwon lafiya shigar ciki lokaci ne da mata ke fuskantar lauyoyi ga matan da ke ɗauke da juna biyu kana suke fuskantar canje-canje iri daban-daban wanda kan iya kai haga girman jaririn a wani lokaci ne kuma mata masu cikin sukan fuskantar rashin jin daɗi kamar yadda malama fati ta shaida mana abin da take ji lokacin da take ɗauke da juna biyu. za za za dai gunda ta cap ai haituwo wara dai tun yallo muniyan da yeri ai gunda gai ta bandi ai ga kwar amma wallahi dai kwai loktar kwar da muka te gumo kalde kalde kalde handu iddu in ga momanta aga kaino bo a akulu aga zabuno ayya bai goma tarnite da robon nu ay giyere giyol mun halay ka hay irwo wane kai kalde ga han bani madama alhassan fatima mai kula da harkar renon ciki da haifuwa da ke nan asibitin tando nan birnin doso ta bayyana alamomin farkon da mace mai juna biyu ke iya fuskanta farai ko mata kai wanda suka samu juna biyu in yana sabo akwai matsaloli da suke fuskanta matsalolin nan da harkokin gani bale in mace bata saba doka ciki ba tana jin hajijiya akwai tashin zuciya akwai amai to akwai masassarin ne kuma malama fatima ta kara shawartar mata mata masu juna biyu da su kula kana kuma su rika zuwa duba lafiyar jikinsu akai-akai don gano tare da kuma ɗaukar matakan gaugawa ga duk irin matsalar da ke iya kundo kai. Lalle kam suna zauwa. Taimakon da muke ba su na farko dai muna waye musu kai. Akwai wani kai tsaye in aka bada mutum yana jin dama. Wani ko in aka ba shi yana ɗan kwana biyu uku kamun ya fara shin dama sirtu aka ce muku harakan ciki kenan sai a hankali wani ana magani ne bai shan magani sai lokacin da yayin shi ya huce in ka samu juna biyu daga kaji yan matsala kaɗan ya kamata ka zaburo ka zo likita ka faɗi matsalar da kake ciki a ƙarshe mutuna cewa ciki shine lokaci na rayuwa na musamman kuma mai daraja to sai dai amma kuma yana tattare da kalubale da yawa a lokacin cikin abu ne da ya kamata a lura kana kuma a la'akari da shi kafin ma lokacin ɗaukar ciki don jin daɗin iyaye mata da ma na jarirai. C'est un reportage na na Hadiza Hassan Rabi Passon en musique avec les titres Janna Janna de Fatima Rigo. Thank you. ou dans la région des Anders, vous suivez l'émission Les Niger sur Vous suivez cette émission sur les radios Chouka à 105. 105.5 MHz, Ikarawa de Bandé 90 MHz, Damergou de Tanout 99 MHz. Merci à la grande famille de nos radios partenaires. Marianne. Et c'est à Zender que nous mène notre rubrique Écho des régions. Et oui, Rabi, plus précisément dans le département des Bandés pour découvrir les activités du club à euh, de la radio Ikarawa de Bandé. <laughs> D'ailleurs, un groupe d'hommes et de femmes réunis volontairement pour la même cause. Quelles sont les activités que mène ce club Quels sont les avantages et les difficultés rencontrées Réponse avec Hajia Hadiza trésorière au sein du club. Elle est interrogée par Maki Ousseini. shekarar da muka kawo kulab nan da aka yi gidan rediyon wannan kirawa da batta da kulab to cikin shekara daya sai muka zo muka haɗu muka yi shawara a junanmu dama da ke muna alaka da jama'a ya muka zo muka tsara kulab kenan da rediyo da kulab tare suke tahiya kun wa kulab in ku kulab ikirawa ko me dalilin da sa ku sa mishi kulab ikirawa abin da ya sa muka sa mishi kulab rediyo ikira saboda rediyon wannan ita ta kama mana menene alakar kulab da shi radiyo eh alakar kulab da rediyo dan tare suke tahiya kenan rediyo ya taimaka kulab kulab ta taimaka rediyo to yanzu alakar mu da gidan rediyo akwai abubuwa da muke sosai akwai asusu da muke yi akwai sai da kati wannan kulab na mutum nawa ne a cikin shi eh, mu 25 ne kenan mata goma sha uku maza goma sha biyu. Kulab ina naku mene ne aikin shi? Gaskiya muna da ayyuka da yawa. Muna tsakanin mu. Kenan in wani abu ya samu mutum muna tahiya a junan mu in na kuka ne mu je mu tsaya yi kuka in na murna ne mu je mu taya shi murna to shi wannan kulaba akwai wani wanda yake kama muku domin ku tahiyar da ita ai eh, yanzu dai a junan mu ne muke harkokin mu to kin yi magana cewa ku kuke tahiyar da kayan ku ta yaya kuke samun eh, kuɗin tahiyar da ita cikaro cikaro miki asusu miki duk wata muna zawa mu zamana dukkan mutum guda ya nasa dala ɗari in kuma baka iya ba nasa ɗari a lokaci guda ishirin ishirin duk sati to haka nan ne muke wannan tarbacin to ko wannan kulab da kuke yi akwai wani karuwa da kuke ganin ya kawo muku ma'ana wani ci gaskiya akwai ci gaba da yawa tunda menene akwai harkar waye kai a ciki kuma bayan na halau kamar wannan haduwar da ake ai ba yan gari guda bane ba kaga yanzu banda ce to mu yanzu yan karkara wanda muke cikin kulab muna da yawa tunda yanzu mu duk yan gidan rediyoyi da magaranci mata mai ce magariya ce dangas ce duka muna hudda da su kuma daga akan harkar wannan kulab din wannan a cikin wannan tahiyar da aikin club wani irin kalubale kuke fuskanta eh kalubalen da muke fuskanta akwai abubuwa da yawa da ya ce mana tuwa a kushi ban mu da kayan aiki muna so mu yi tsabtal gari mu yi tsabtal ko ina a ce garin mu ya huto ya zama abin alfahari ya zama abin a zo a gani mudubi kenan ban mu da ƙarfi mu tunda dan cikaro cikaran da muke bai kai bai karya tunda muka tai wajen aihuwa wajen mutuwa wajen biki shi muke dakowa mu bada kenan ka ga mu da dama da zamu samu mu je mu siyo kayan aikin tsaftar gari tunda mu duk sha hudu ne muke huta mu je mu yi harkar tsafta kiran da muke wa gwamnati da masu hannu da shuni su kama mana a matsayin mu yan kulab kuma bayan nan muna da matasa a ciki muna da mata da maza Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Il est 11h, passé de 40 minutes. Si vous venez de nous prendre en cours, pas d'inquiétude. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site web www.studiocalango.org ou sur la page Facebook Studio Kalangu. Chers auditeurs passionnés des sports, c'est l'heure du sport et Saïrou Adam, notre chroniqueur du jour, est avec nous dans ce studios. Bonjour Adam. Bonjour Adam. Bonjour Mariam, bonjour Ravi. Adam, pour ce deuxième numéro de la semaine, nous allons parler de football d'abord de la 24e journée. Eh bien oui, la 24e journée de la Super League, le championnat national de première division du Niger, a débuté dimanche et nous avons quelques résultats des matchs qui se sont déroulés. L'AS Garde Nationale, champion en titre, s'est imposé sur l'AS Nigelec un but à zéro. Hier, l'Union sportive de la Gendarmerie nationale et la Renaissance Football Club de Bukoti se sont quittés sur un match nul de deux buts partout. Alors parlons à présent des U17 du MENA. Eh bien oui, dans le cadre des préparatifs euh, du tournoi U17 IFOA Zone B des moins de 17 ans, le Ménacadé a joué son quatrième et dernier match amical contre l'AS Police de Niamey ce jeudi 2 mai 2024. Victoire de l'AS Police 2 buts à 1. Aujourd'hui, l'équipe prend la route pour Accra où elle prendra part au tournoi IFOA B qui se tiendra du 15 au 28 mai prochain dans la capitale ghanéenne. Cette compétition est qualificative pour la prochaine Cannes U17. Pour, et eh, pour rappel, le Niger évoluera dans le groupe B en compagnie du Burkina Faso, du Nigeria et du Togo. Le groupe A, lui, est composé du pays organisateur, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. À demain pour un autre numéro avec Asumi Grouza. Merci, bien, Adam. À très bientôt. Découvrons à présent la star de notre portrait d'aujourd'hui, Mariam. Âgé de 53 ans, Sofiane Hassoumi est originaire de la région de Dosso. Il réside à Niamey au quartier Harobanda dans le 5e arrondissement communal. Il a commencé les métiers de cireur de chaussures en bilan dans les années 90. Aujourd'hui, euh, il a ouvert son propre kiosque au marché Harobanda. Notre reporter Omar Hama est parti à sa rencontre. Il nous dresse son portrait. gamande jiri waranza bere kanga sego yo wobon sufiyanu wode agogo goro bambon tabulo jine non kan boros ingande si fonga se kambara boro wode sibakala ama tamu yon kan sara hense non kan tamu hense ko yon kan funu nyamei kureira na dangame sufiyanu wode sibakala ama goyo kan ina se gasandi ewe fursi razika songo ay ko to wara zikin de ide den kai gora o ay bin duwa nafa sirazo wallahi kam goy jagay de no nangay furara zam kam goy sino ay fursi raz ke ka mai ina mite ko argoy ne wallahi osin ko fur ko argoy bom te ne bongo yo agon bor sen afuk bisa num go bor fose ingi che woy siraz sen tere kay sen tere goy wati de gide go wonde de gide go de ay gor ni vaste ay to danga jir ta ci ay gora ara ta muhammadu suman wati apre baru wate ye agrimeter agrimeter mo no de te jil kara agrimeter ya ne ne hije no katare wallahi do ara nafa zamu hukuna ai sai guluwe abinda alhamdulillah ainihin koy sabu ramone hiji o a fa kursu ba wani kai tara ba kan sende si jangoira wo dai agogin ga kokaro kulte kan ga nan bore kan kan da tamuwa do amin han sai sai wallahi sende wo ai mar bai gudu masalafu wa kina han barka dai han fo kiliyan bodai mai yakar hatta amma goyi wo kurkai te borfo sai borfo mun bai kina sai wallahi man te ba kefo bore kan ki ci bore sai ne kai do nan go kore hal nyamai kwari ko fulu kage ke kinan go harobana ya daga ainel ko no din o ay man disan de kulara non sumaila yakuba amanti kalmu wadi ginere kono a sedan dir se de goy hanna kan aga te ingase wallahi wa kulu ay goyo ke alhamdulillah dai ne gine zan mat kai ga bara da bun bonga dai na ga taise o ba da hansi ga bun bo dadi nan fo kan borman tiyase aga hanse. yaringa vraiment goyora alhamdulillah imam jay wadde mo koyni mo yon dani sireo ni badi ni bonara ma egne haro band me amey ayo wala kalo kana ga bis barkulu sira bor fonte sai sama kan amma ango ke da siresi wala ata aisi egne alhamdulillah aygo kan mo borya ase didi aita mai Filar ha filan mai no sirene se wal mai no ci directement agone woran point habora sufi ando hara kambo sira zugo wo herno kambor sijan inga me ngwari ara de go wo de adu ginga kambe windi kina go gingal mayalo jerenda a hiji agonde ise iye C'était le portrait de Sofiane Hassoumi réalisé par notre reporter Omar Hamma Pour ces derniers tour en musique, on vous propose Mahmoud Tekieso de Mamambarmo. Ha ha ha. saurara wajen saurara labarin fati fati da ubanta fati ta ce mai baba na baba ka sai mani tisi tisinmu mu na disko ka sai mani takalmi masu tsawon talon in rafka ta kwalli in zajen baki in sha kai na, in yi suna mai kyau in na shiga taro in dan in diba waɗanga in diba in ɗan na in zaɓi mijina wai fati ta yi zaɓe wai mamudu ta ke kamna fati ta yi zaɓe wai 一三一三。 zaɓi mijinke alhaji ali ya nanan zanne babban ɗan kasuwa mai mota mai kyau to nuhu na nan kuɗi shi ma kurai mai yana nan babban tashiram fati ta yi zaɓe wai mamuru take gamna fati ta yi zaɓe wai mamuru take kam. de la bonne vieille musique que l'on dédie à tous ceux qui nous écoutent, qu'on se reconnaît. voilà, sur cette émission qui annonce, cette chanson qui annonce également le loti de l'équipe femme du studio Kalangu. La rubrique loti du desk femme du studio Kalangu porte aujourd'hui sur l'assassinat des époux par leurs épouses. Un phénomène qui est fréquent chez certaines femmes quand leur époux décide de prendre une seconde femme. Rekia Arimi et Samira Rouafi nous en disent plus.

Ni? da nike nan cikin gidan ga, tun yana bakin bakin bakin baturen shi. Makwabciya ina kwana, ina jin ki tun cikin ɗan gidana, ni na arziko kina waya ne, amma sai nace barin matso in gani ko me ke faruwa. sai tashin hankali. Kallon niki gani, da Allah ina da muni. A'a walla baki da muni ko ɗaya. to in ba haka ba, kenan na tsuwa. Baki tsuwa ba, mine ne irin wa'in tambayoyi da kike mini? Wai mijina, zai sake aure bayan dukkan bonin da muka ci tare da shi wai zai mini kishiya yanzu da yake da kattan motocin shi da gidajen shi manya-manya da ya gina hmm. ni ko dai ko in dai da raina wannan abun ba ya faru ba haba tsaya mare kwantar da hankalinki ba hau ƙarshen duniya ba ne kun baki bace ta farko da an kai ma kishiya kun baki zaki zama ta ƙarshe ba ya kamata ki yarda da wannan abun saboda kwanci hankali cikin iyalinki musamman saboda iyanki ya kamata ki mai da kanki babba ke ku don mijinki ya samu ya girma daki ita ma wadda za ta zo ta girma daki. Ni har abada wallahi na ce miki har duniya ta naɗe in kuma ya kafa sai yayi wannan auren zai san da ni wace ce wallahi tana yiwa in yi abin da baki tsammani. Subhanallahi bar magana hakan ga mari mu musulmai ne kake mance kuma ki sani Allah ya riga ya kaddara da sai an miki kishiya yi miki ita za a yi kenan kawai ki yarda bai kamata ba ki ta wani abu da zai zo ya ja miki wata matsala daga baya hmm. amma wallahi ka dai har yanzu baki sani wace ce ba kin ga da farko zan kashe shi in kashe kaina na gani wani auren za a yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutuwa kuma kina nufin kina son ki kashe mijinki saboda aure wallahi ki hankali da abun da ke hitowa cikin bakin ki mari abin da kike gayi mari ya kazamce kuma za ki samu matsala da hukuma. Hukuma? Kwarai da gaske, saboda dokokin ƙasar Nijar sun ce duk wanda ya kashe wani ana iya kai shi kurkuku sai ya mutu, koko a kama shi kwaso ɗaurin rai da rai kuma a yi mai shari'a daidai gwargwadon abin da ya yi in kashe mutum ne ya yi in wani abu ne ya sami shi cikin abinci ya ce mutu ke dai gashi nan dai. Me nake shirin ji? Me kike haɗi min haka? To duk abin da ka yi ma wani in aka kama ka kai ma irin shi za a yi maka kuma za ki bar ki su yi rayuwa cikin kunya a ce ku dibo ga suna yaran da uwarsu ta kashe babansu za su tsane ki sai sun mutu abu wanda ya fi tsanani ma za ki bar su a matsayin marayi tun da ke kina kaso in dai baki sa a kashe kanki ba da ki in ke kashe mijinki kuma ke gani haki ke hita mi za su zama dan Allah ki kwantar da hankalinki ki san abin da kike yi <laughs> A matsayina na shugabar mata da ke iko a cikin gidajensu, ni mutane za su dube ni da shi. <laughs> In na yarda, ya yi wannan auren ba wata mace da ke cikin ƙungiyar nan da za ta girmama ni. Na shiga uku. a ke ko ki duba abubuwa masu kyau cikin wannan halin. Za ki ɗauke ta ke ga kamar ƙaunake, za ku raba ayyuka, kin ga za ki huta kuma ki mai da hankalinki bisa yaranki. <laughs> In raba mijina da ita. kuma in raba kuɗin da yake bani da ita. <laughs> Haba keko, ai dole haka za ta samu tunda ta riga ta taya ki aiki. Ai ya kamata wasu abubuwa suma da wani jin daɗi da ke ji su ɗan rage tun da kun zama ku biyu, amma ki duba in kika bata kulawa komai zai tahi daidai babu wata matsala da za ku samu. Hmm. Kadi wannan abun dariya yake baki dan bai zo gare ki bane in lokacin ya zo gare ki kin san me nike je a raina. Haba dan ke ga ni ɗaya a nan To, ki san da cewa ni ma biyu gare ni kawai ba mori guda ne. To shi kenan. Na ɗauki shawarar ki na gode. Merci les filles pour le conseil. L'émission Les Niger sur Kalangou, c'est aussi de la culture linguistique. Ce matin, c'est Asma Shina qui nous vient avec le mot respect. Bonjour, Shina. Bonjour euh, Mariam, bonjour euh, Rabi. Effectivement, donc c'est l'heure de rubrique linguistique. Aujourd'hui, le mot c'est respect. Donc on va les faire en Hausa. Respect, ça veut dire comment girmamawa de Hausa. To jama'a masu mu barkamu da sake saduwa cikin wannan shiri da ke baku et sanin ma'anar kalmomi yau kalmar da muke tafa da ita ita ce girmamawa da faransanci ana cewa raspe ita da girmamawa kalma ce mai matukar ma'ana a zamantakewa wato kamar zama tare domin gudanar da rayuwa mai kyau muna buƙatar tana da dokoki sannan kuma mu girmama su wato mu aiki da su kun ga kenan girmamawa tana da muhimmanci sosai tana shimfiɗar da zaman lahiya mai ɗorewa tsakanin jama'a girmama doka ke sawa mutum ya yi rayuwa cikin mutane ba tare da an raina shi ba yayin da shi kuma bai raina kowa girmama doka ke hana mutum ya aikata wani laihi da zai janjo matsala har da kai ga shari'a kuma wato zaman gidan kaso girmama doka ke sawa mutum ya gudanar da harkokinsa kowane iri kasuwanci ne kiwo ne noma ne ba tare da an cuta masa ba wato ba tare da an yi ma a kwace masa kayansa ba ko kuma ba tare da an je a cire a yi mishi wani cikas haka sannan misali idan kana zaune da aboki idan kuna girmama juna za ku sami wato ba za ku sami matsalar rayuwa ba alaƙar ku za ta bunƙasa kuma za ku ci amfanin wannan alaƙa taku a takaice dai wato ana iya ɗaukar ya girmamawa tamkar wata garkuwa ta zaman lafiya ta tsakanin al'umma ma'ana wato idan akwai girmamawa tsakanin al'umma tsakanin juna da juna to ba shakka zaman lafiya ne za a ci gaba da dorewa saboda raini bai shiga balle a ga laifin juna kun shi a takaice ma'anar wannan kalmar ta girmamawa da ake kira respect da faransanci. Mun gode Asma da Alors, chers auditeurs, vous êtes nombreux à nous suivre grâce à nos médias partenaires de partout dans le pays. Écoutons quelques-unes de vos réactions. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. naku sirri galarisa makeri a nan tanit da haka nake isar da gaisuwa ta zuwa ga wanda suke hada musamman a tare da studio kalangu wato ma'aikatan fm da margu da muke tare su a nan muna biye da ku sau da kafa musamman a shirye-shiryen ku wanda ban mu gane komi abin da ke tafiya a ƙasa amma kuma ta hanyar studio kalangu yau kam ya waye musamman bangaren kiwon lahiya da kuma wasu abubuwa wanda suke damu mu maharakan noma da kiwo da makamantan su wanda abubuwa ne wanda muna cikin jahilcin su amma ta sanadiyar a studio kalangu yau gaskiya komi da komi na tafiya daidai da haka kuma ina so in yi amfani da wannan dama ta hanyar studio kalangu in gaida abokan aiki na wa'inda muke tare da sunan tanat ka kama daga galli makeri da kuma ismail makeri da kuma san malam san da buguburi da ke laska gusum da bin gisar fatara shi zuwa garisi da kuma mamman mu ko kuma in yayan mu hajiya fatima da kuma wata ana ce mata wadda muna haduwa da su sosai sosai ma a cikin shirye-shiryen da rediyo da mulki take gabatarwa wato ana ce mata na kalu na gaishe da ku sosai sosai su da margo moru ala kane sai zama albare kingi gnon mati kuno ko gano sai kane se papa pa ala ir sabi sai mo ir ko kane mu konde di jine an bani inda inde kul ayu ay manyo ya wasan kire rade wallahi kan akan a agogo no bon fere gum gum o ir sabu agotere kul marganta se mun ton ton gai gei si jiro dum ci wote bore si mun tonton a ga iri wo ir a ka gendo bon fere Ici pour fin notre émission de ce mardi 7 mai 2024. Vous étiez en compagnie de Rabia Mekano et moi-même Maria Amade. On se retrouve pour ma part à 17h pour notre programme de 2h qui débutera avec la grande édition. Merci à l'équipe technique qui a rendu possible la réalisation de cette émission. Excellent après-midi à tous. bye. bye.